bismillaahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du nuyu mboolem ko fi nekk di doomu caabi tey mënewuma sax wax ci mbooloo mais damaa kontaan li tax ma kontaan mooy damaa gëstu xool ñi ñëpp ñuy doomu caabi mu bëgg ndax suñu fi dikkee ngir Lamine ay Fall di suñu lépp ci ñun ma gëstu gis Racky Faye di sama njëkkee di lépp ci ñun ma kontan di yalla na yàgg te sax parce que ñun mënu ñu am dara dara luddul yeen rek ngeen and jappo defar ciali lool rek ci lañ ko mëna am kon ñu ngi ñaan ci carton yalla ak mbax ku yonent bi yalla na nu yàlla jàppale ba fi ngeen bëgg a ciali ci carton yalla ak mbax ku yonant bi mu egg fa daraja Muhammad alaykum wa rahmatullah euh je voudrais euh, remercier tout le monde remercier les parents euh, d'autres amis qui sont venus de Dakar, des collègues conseillers techniques au ministère de la Jeunesse. Euh, je voudrais vous remercier tous d'être là aujourd'hui. Euh, cet exercice ne sera pas facile, évidemment, que je me suis réveillé, je me suis levé, euh, parce que je me suis réveillé bien après. Je me suis levé depuis ce matin, je suis couché très tard, euh, je devais aller me présenter pour euh, à Fanden pour soutenir le frère Augustin Tine, qu'on devait installer à la mairie de Fanden, euh, qui a eu, fort heureusement, qui n'était pas inquiet doutre mesure, mais qui a eu 39 voix sur les 39 conseillers présents. Son premier adjoint a eu 39 voix sur les 39 présents. Le deuxième adjoint a eu 39 sur les 39 présents. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce monsieur-là, a bénéficié évidemment du soutien, non pas simplement du soutien, mais de l'amour de ses concitoyens, de ses compatriotes, je dois dire, parce que c'est un grand monsieur, Augustin Euh, je ne voudrais pas rater cet instant-là pour le féliciter ici et maintenant. Euh, ça, ça, ça m'aurait fait, fait, beaucoup de tort. je voudrais saluer également la présence d'un grand monsieur parmi nous, monsieur Danny Boy, qui n'est pas politique, il vous l'a précisé tout à l'heure, mais je pense qu'il ne tardera pas à l'être, parce que ici et maintenant également, nous lui tendons la main pour lui dire, Monsieur Boy, vous êtes chez vous à La l'APR. N'hésitez pas, nous sommes prêts à vous donner tout ce que nous avons comme militants, comme représentation, mais venez avec nous. La L'APR a besoin de vous, euh, la, ville a besoin de vous, Thiès a besoin de vous. Euh, le président de la République, M. Macky Sall, a besoin également de vous. Donc n'hésitez pas, vous êtes chez vous ici. Le fait de vous avoir invité n'était pas fortuit. On y a pensé. On vous a vu vous déployer sur le terrain politique. On vous a vu bien avant le jour des élections. Et nous nous sommes dit, monsieur, il faut que nous l'ayons à côté de nous. Il faut que le président de la République l'ait avec lui. Monsieur Boy, vous êtes chez vous à la PR. Soyez le bienvenu. Alors, je commence par ça parce que ce, ce, ce, évidemment, euh, a comme principal objectif de rassembler la famille de Macky Sall. Ce n'est pas pour autre chose. Je voudrais, chers camarades, vous inviter à un dépassement, que nous n'ayons plus de fixation par rapport aux élections passées. En fait, regardons résolument l'avenir. Regardons et essayons de travailler et à conquérir ensemble d'autres victoires, parce qu'il y a d'autres victoires qui viendront. La promesse est grande, mais l'engagement n'est pas petit. Il est à la mesure des hommes qui composent aujourd'hui notre paysage politique. Euh, il a parlé tout à l'heure de Diakhao en disant que ça part de, des rails jusqu'au pont. Euh, lorsque j'étais encore à mes tout débuts, j'organisais un tournoi annuel à Charlie. On l'appelait communément Beyoules. En fait, l'Est, c'est mon petit nom. On l'appelait le tournoi Bayoulès parce que je mettais en compétition un bouc avec euh, du thé, du sucre et j'invitais euh, les coins et recoins de Charlie et je l'appelais le grand Charlie. Et j'ai toujours dit que Charlie, ce n'était pas les HLM. Les HLM euh, émanent justement d'une volonté des pouvoirs publics qui voulaient caser un corps de métier principalement qui, était, qui dépendait des chemins de fer. Mais c'est né également des, entrailles du grand quartier Djahao. Djahao étant l'un des plus anciens quartiers de Thiès. Donc si nous voulons œuvrer pour Tchali, œuvrons pour Djahao. Djahao, c'est Djahao, c'est Tchali, c'est Petit Tchali, c'est Grand Tchali. Euh, et aujourd'hui, c'est Ngent Almadi euh, qui euh, me, dira Mayoro. Ngent Almadi, également, c'est des ressortissants de Djahao Tchali qui ont étendu évidemment leur, territoire au niveau de ce quartier-là et qui en a fait euh, ce qu'on appelle aujourd'hui Ngent, Almadi. Donc, chers camarades de la paire, je voudrais qu'on ait un esprit de dépassement, que nous parlions aujourd'hui des futurs de la paire, que nous parlions aujourd'hui de 2017 pour remettre un deuxième mandat entre les mains du président Macky Sall. C'est ça aujourd'hui que nous devons faire et à mon avis, on y a tous une lourde responsabilité. Chacun d'entre nous a la possibilité de lever le petit doigt pour tendre justement vers cet objectif-là, évidemment, afin de euh, l'atteindre. Alors, je voudrais euh, saluer toutes les délégations qui sont venues. Rakissi, qui est ma sœur, qui est là. Euh, je ne dirai pas tout ce que j'ai dit pour inviter Dani à rejoindre nos rangs. Raki y est déjà. Je pense qu'elle est chez elle. On ne peut pas en dire autrement. Je pense qu'elle pourra travailler main dans la main avec les femmes qui soutiennent, toutes ces femmes qui soutiennent Lamine Aïsafal dans son déploiement politique. Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de faire, de, faire en sorte que toute la famille se regroupe, toute la famille, euh, et qu'on puisse oublier quand même ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas quand même faire euh, des complaintes du passé un programme politique. Notre programme politique ne peut plus être euh, Ndiagawadi Afiokon, c'est Non, ce n'est pas un programme politique. Le programme politique, ce sera de montrer ce que le président de la République a aujourd'hui à défendre comme bilan tout ce qui est aujourd'hui mal connu par rapport euh, pour les populations, il nous appartient, nous, en tant que responsables et en tant que militants, de le mettre au goût du jour, de le, montrer, preuve à l'appui, à tous les citoyens, pour qu'on puisse savoir au moins qu'on ait la conviction que le plan Sénégal émergent, euh, défini par le chef de l'État, est aujourd'hui euh, la seule chance, l'unique chance aujourd'hui de sortir les, le, Sénégal et les Sénégalais de l'ornière. Alors, Gana di julliti yonentam bu tedd bi gërëm suma yaay jee di gërëm suma sëriñ di sant ñi fi teew ñëpp di leen ñaanal di leen ñaanal njaan bi ci njëkk mooy yàlla may ñu ñu teewe ko fii ay déwén yu baree baree bare ndax lii du dakk ah du dakk ndaxte suñu pasteef la du dakk parce que dañoo gëm ne fii mooy yoon wi yoon wi mooy liggéeyal say ñoñ kon nag ñi ngi ñaan bés bu tedd bi tey nga xamante ni ci la góor gu tedd ga daje woon ak góor gu tedd ga ne ko man wër naa la ba sonn dama laa xeeñtu ba sonn yàlla dogal na la ma gis la tey damaa bëgg yegg ca yàlla te yow laa ci wóolu góor gu tedd ga ne ko boo bëggee yegg ca yàlla ci yow la geneen góor gu tedd gi dellu ko ne bu ma yeggul ci yàlla ci yow la kon bés bu mel nii ñu koy fàttalikoo damaa bëgg ngeen xam ne ñun ñii nga xamante ni ñoo bokk kër gi bokk kilifa gi nga xam ne mooy Macky Sall ñu delloo suñu xel xam ne li nga xam ne moo jot a jàll daanaka doonul lu ñuy wàññi lu ñu mën a yokk kese la nañ ci sukkandiku ndaxte ku ci nekk tey jii xam na la sa morom man ku ci nekk tey jii xam nga la sa morom di jar waaye loolu lépp ndeysaan lu seer la ndax bu ñu boolee suñuy voix ñun ñi nga xam dañoo tasaara woon te nekk ci njabootu Macky Sall bu ñu ko boolee ñoo jëloon mairie bi waaye yàlla dogalu loolu yàlla bëggee ko noonu yàlla buy defar Babacar day mel ne luy yàq loola sama mbokk ma di wax ne Dieu écrit droit en ligne courbe maanaam yàlla même dëgg gi muy bind bi muy tudd sax bi muy ta tracé sax boo xoolee arab yi ñu koy bindee ci arab dafay dëng dafay lunk kon mu ne Dieu écrit droit en ligne courbe lii na ko yàlla bëggoon fii la ko yàlla bëggoon a jaarale kon nañu delloosi suñu bopp xam ne kër day am kilifa te kilifay nak gi nak ben kep lu du du njaga wad Lamine jay kilifay kër gi Macky Sall la kep nak nañu ko jàppale nañu dajaloo laxasaayuwaat xam ne képp koo xam ne responsable nga fa nga bok war nga liggey lo xamanteni ni war nga meuna fexé no joxe ndam li fa nga bok de nga jox ko ndam li président Macky Sall buñu défé addition bobu président fay am ndam 2017 ñaarel mandat mom kenn dot ko natable dot ko wéranté kon lolou lay inviter suñu mbokk militant yi Euh, jeunes yi nga xamante ni ñoo fi jël kàddu ñu ngi koy rafetlu lool li ngeen fi wax am na solo ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi euh, euh, Moustapha nga yeggalal ma lii nga xam mooy sama yéene waxal ma ko ñëpp lii mooy sama yéene mooy suma xalaat mooy yoon bi nga xam ne moom laa gis ne buñ ci jaaree njaboot gi dina dajaloo liggéey bi na baro parce que liggéey bi li ñu liggéey ñun ci campagne électorale bi njaga bu ñu ko da day commencé tàmbalee tey jii ñu commencé koo dajale nag. xamna ñoko mom xamne président de la République képp lañ koy jox ñu commencé ko dajalewaat tey jii Thiès kenn dootul wax leneen lu APR kon nak tayji dama damaa bëgg ñu décréter do fi la fin de Benno Bokk yaakar manam Benno Bokk yaakar lu koy tax a jóg ay élection bu élection passé bu ñu xasee ba voter jeexna ku ne da ngay dellu sa kër nga liggéeyali sa bayali sa baay comme ni ko olof yi di waxe tayji ci fofu lañ toll amatul Benno bokk Yakar, amatul bolo defat ties amatul lenen amatul lenen li am moy APR la grande famille républicaine ci lolou lañu wara war ci lolou lañu wara xey ci lolou la wara war a gont loolu laa bëggoon ngeen ku nek ku fi tew tayji xamne waxtaan wi tayji waxtaanu union sacrée la autour de l'essentiel pour une victoire éclatante de monsieur Macky Sall président de la République en 2017 pour un second mandat kooku bu ko kenn naatable na ci ñëpp commencé liggéey bés ni ki tey ah ñu ngi sant di gërëm wayjur yi di sant di gërëm xarit yeeg am di jàmm yi fi teew yëpp di sant di gërëm euh, du ma lim nag man du ma lim parce que du dugg ci ay euh, ku lim juum yooyu wóorul parce que góor ga ah ba mu waree ngénte mu ñëw ku toll diggante xaritam bu mu gis ne la yow lay tudde doom ji nga def yëkkati enveloppe jox ko ku mu gis ñu ne xaritam bu mu romb rek ne ko yow laay tudde doom ñi nga yëkkati enveloppe jox ko besu ngénte la ku mu tourné gis turandoo yëpp teew kii tudd njóogu kii tudd xuja kii tudd mademba kii tudd mas lu ne tur wu ne génn fa góor gi ne waa kon doom yi tudd nañ ko gaañi waa kon gaañi maa ngi leen siyaar di leen ñaanal ndogu jàmm ak salaam maa ngi gërëm di leen sant wa salaam